bon xam nga aussi bon de moom léegi dama xaw blasé ci affaire sport football de façon générale parce que euh, émotions il faut savoir les maîtriser Il faut dañ les maîtriser parce que le le football sport de façon générale est une réalité. La réalité réalité que mooy mën nga comme mën nañ la donc je suis may à stade 17 ans, damay intégré ñaar la moo généralement je euh, suis lucide pour marcher, match yi ce que je et puis comprendre le résultat lan indi donc c'est vrai que euh, en 2002 c'était une première là c'est une troisième Beaucoup contexte beaucoup équipe yi il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué euh, dans le bon sens bien entendu parce que équipe Sénégal aussi le départ, du benn équipe a commencé hein parce que xam le football c'est une grosse industrie c'est une grosse industrie Quand tu di équipe d'entraînement ñëw di entraînement compétition di daw match da nga gis li qui ci bagage tu te di mais lan donc ça veut dire que c'est un tout mais affaire bi ba mu départ dafa yàgg donc fi on est pratiquement au bout de la chose Ce qui est rek mooy gagner coupe bi C'est ce qui ci mais nekkul loo xam lu parce que c'est un travail de longue haleine féliciter tous les gens qui ont fait un travail ci également mais ligue bi dafa dess liggéey bi dess na parce que le le football ne s'arrête pas le football sénégalais du yam ci du dimanche bi non dañ ñaan yalla mu survivre dimanche hein continuer dem ci yenen échéance yo xamni également ñu ci am lo xamni ni ngi ko ciy parce que amna ay échéances yo xamni ni ñëw également c'est aussi nek na am importance comme yenen échéances yi donc en termes d'émotion c'est vrai que bon j'ai vu que <laughs> des gens étaient très émus Hein, il y a des gens qui ont versé des larmes, d'autres étaient tombés complètement dans les vapes. C'est normal. Parce que le sport, de façon générale, dafa une passion. Parce que passion bi moo tax passion bi am moo tax mu neex nga gis nit mu xobee ci équipe wala mu C'est ci joueur loolu football de façon générale. Maintenant l'équipe du Sénégal euh, moi je, je dis que depuis depuis depuis 2005 2006 2008 2010 les gens sont en train de construire la construction li terrain c'est tout autour hein. Euh, c'est les dirigeants, c'est comment les gens maîtrisent maintenant aujourd'hui. Parce que Sénégal, quoi qu'on puisse dire, les compétitions, ils peuvent maîtriser les on connaît le chemin. Mais on connaît le chemin, mais il faut entrer, dans, il faut entrer par la porte. C'est ce qui est Dougou. Nous Dougou. c'est bi justement lan mo koy euh, andi lan mo ci euh, le petit plus là ci ci lañ ko jël le petit plus c'est de comprendre que affaire bi nekkatul lu jouer lu ñuy lu lay il faut ça va au-delà du talent ci envie bi parce que quoi qu'on puisse dire en finale on aura une soit une équipe qui a gagné six fois ou sept fois je ne sais pas une équipe qui a gagné c'est des équipes yo xam ni nañu ci coupe donc envie bi normalement ci suñu côté la wara a nekk envie bobu nak moy wara def différence bi maintenant il faut rester concentré de focus ci objectif bi corriger gommer certaines choses yo xamni victoire da koy neub parce que moi, je, ne peux pas comprendre que deux matchs de suite à ce niveau de la compétition, nous le but. Heureusement que Jito n'a pas parlé. Mais est-ce que nous avons gagné Jito Qu'est-ce que ça va donner C'est les questions moi, que je me pose. C'est quoi la solution maintenant Il faut que la défense comprenne que, bon, l'État en moi, il doit défendre d'abord. Après, nous devons relancer les Mais je trouve que la défense est trop concernée, en tout cas est trop prise par les relances, par la phase offensive alors que tu es. bon aujourd'hui également on a vu que bon tu également euh, xaw bon il y a également un changement que je n'ai pas compris le fait de faire sortir Bamba qui vient de marquer un but pour mettre Fab Matar après tu fais coulisser euh, Ismaël Sarr dans l'axe pour bouger avant-centre je veux bien qu'on m'explique ça bon maintenant entraîneur de il a euh, il a ses raisons mais je pense que le match bi ñu joué nii match intensité beaucoup et puis que les gens soient beaucoup plus concernés et que les gens même si nous ci banc bi ñu concentré match parce qu'à tout moment on peut faire appel à toi donc nit ñi nañu xel ci et puis je pense que le Sénégal d'aujourd'hui a les moyens d'aller au bout vraiment war c'est tout un symbole parce que aujourd'hui la génération de 2002 les rivalités qui existent entre le Sénégal et, et le Cameroun tout le monde le sait donc euh, c'est vrai qu'ils ont gagné des choses nous on rien on n'a pas gagné rien gagné mais dañu bàyyi xel donc ça veut dire que y avons un coup pour accuser bu euh, donc si nous avons ak la final ça va être très compliqué ça va être beaucoup plus compliqué bu nous Égypte donc euh, il faut dès à présent que l'on soit dans il faut savourer certes il faut savourer la finale c'est dimanche mais dimanche c'est déjà demain donc, il faut enjoy affaire, oui, mais qu'on replonge tout de suite dans la chose, rester concentré. Les gens qui doivent récupérer, nous récupérer. Nous regardons l'équipe, nous regardons là et puis nous gagnons parce que c'est important. Parce que le football, euh, les vidéos, c'est Les vidéo, moi, gagner match. vidéo mooy gagné match parce que si nga que l'équipe équipe bi 15, budget 40 minutes dafay sonn wala ou dem benn phase kañ lay sonne, kañ lay parce que il y temps am temps faible hein. euh, à chaque match il y a des temps faibles ah bu ñu des mi-temps da ngay gis ci xaw de suite c'est c'est des choses yo xamni des disparités yo xamni corriger parce que c'est vrai qu'on ne peut pas un match parfait Il compliqué mais en tout cas 90-95% les gens doivent être concentrés sur le truc faire focus et puis ensemble ñu dem fait affaire et je pense que c'est le moment c'est vraiment le moment